bisimila ci ëttu yëglekaay yéeg yéen a kaay def lu baax tv point com seen bokk seen xarit Cheikh Bay moo ñëw di fasal li ci ëttu yëglekaay yéeg yéen a kaay tey nag la mardi avril ci atum 2024 bi nga xam ne moom la ñu nekk bokk li nga xam ne moom moo ci gën a fës di actualité ci réew mi nga xam ne moom la ñu nekk di Sénégal lan moo di actualité bi Mouhamed Boun Abdallah Dionne gannaaw bi mu nekk ministre 2014 ba fii ñu koy waxe moom ko fii ci réew mi tey a jóge tey jii daal la fa war a jóge bu 7 heures jotee ba toftal war a décoller ban avion moo ko waroon indi avion bi ne moom moo ko waroon indi Bruxelles Airlines da waaye daal dafa mel ne loolu daal dafa faagaagalu état bu Sénégal daal war ko avion bi nga xam ne moom moo ko war a indi daal gis nañ mu def 19 400 138 moom lañ gis daal muy nataal avion bi NR moom lañ gis mu daal di def ci signification avion boobu nga xam ne moom moo ko war a indi fan lay dépale ay Bruxelles airline airline lañ yaakaaroon ne dana ci dugg waaye airline googu mujj caa dugg fi muy dépare nag moom moo di aéroport Orly or li ga ca France lay départ war a ñëw fii tey ci Sénégal bu fekkente ni biin ne ànd naag dogalu yàlla mboolem ñi état bi Sénégal ñooñu ñooñu ñëpp ñu ngi taxaw di ko xaar di ko teeru di ko ndax moom doomi réew mi waaye liggéeyal na nga xam ne moom moo di Sénégal def lu am am solo ki nga xam ne nag moom moo def loolu xalaat ko ci xalaatam bu rafet moom moo di Bassirou Diakhar Diomaye Faye moom daal nee na daal comme daal da doon nekk ci réew mi doon fi liggéey ba ñëpp ràññee daal ñun waa ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp nguur gi danañ ko taxaw indi ko fii ba gunge ko ci këram gu mujj ga li ci jaaxal ñëpp gannaaw bu mu ñëwee tey jii nga xam ne ci lañ séntu te ci la war a ñëw ñu war koo denc àllarba gi nga xam ne yaakaar nañ ne ci la ñu korité lañ koy jant xel yëpp daal àndandoo nañ ne Touba daal lañ fas yéene fa lañ ko bëgg a euh, denc ko fa jit euh, jiitlante ko moom ak corbia bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di état bu senegal ak gouvernement bi ku wax lii wax lii dañuy bàyyi loolu daal di tab ci course hippique bu Sénégal gannaaw bërki démb jongante yi nga xam ne amoon na fa muy jongante yoo am solo am di course boo xam ne course bu neex neex la déception bi nga xam ne moom moo ci am dëgg daal bokk na daal ci yi nga xam ne ñoom ñoo doon daw ñaari fas yi nga xam ne ñoom lañ taboon ñu ñoo koy raw kenn ki daal dafa am deuxième keneen ki daal daal di mujj xottinu si muy kii kan la ak Blaise Blaise moom moo mujj am deuxième waaye ki leen xam ne moom moo leen raw moom moo di góor gi Ibrahima Kolle Baaw moom góor gi Ibrahima Kolle Baaw moom moo ko raw am na ñoo xam ne njortoon nañ ko waaye taxul benn yoon daal ñu signalé ko waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ko coiffé yoroon fas woowu ñoom waxoon nañ ne fas wi fasu man distance bu gudd la en tout cas biram bi moom génnul gaal gi ndax fas yi ñi nga xam ne ñoom lañ ko tuddee borom écrit boobu ñoom ñooñu ki nga xam ne moom lañ ko tuddee ñoom ñoom ñoo ko raw seen fas wi ñu tuddee seen wayjur wu góor moom moo raw course boobu kon daal delloo na mbattu can daala muy course boo xam ne course bu donte waa écurie lamba fa rawuñu ko waaye ñoom daal nee nañu am na ci mbégte ak contentement bu rëy rëy rëy ndax nataal bi nga xam ne moom lañ gis daal ci turu archive bi muy course bi nga xam ne ñu ngi ko tudde professeur Baaw goor gi bokkole Baaw raw ko plan de trois ans yi déception totale la ci écrit réew li am liñ ci amee mooy daal yëpp bërki démb daal gis nañ ne juróomi trois ans yu yaakaaru moom lañ dugaloon ñett yëpp raw nañu ci at mi nga xam ne moom moo di atum 2024 di rawanteeg benn plan de trois ans bu dëgër bopp wow koŋ lool moom fas wow di fas yi nga xam ne moom moo di yëgul buur moom yëgul buur moom gis nañ ne dimanche bële passé 2200 mètres la woon ñu jege woon ko lool ba yaakaaroon ne sax bu jël see danañ ko raw waaye dafa mel ne daal bu ñu yaakaaree rek yaakaar yi yàq ko fas woowu di yëgul buur moom daal gis nañ ne distance yëpp moom la boole man ko 1650 mètres ak 2200 mètres yi daal la yemale képp gis nañ ne daal fas wu marqué emprunté la ci at mii nga xam ne moom la nekk en écrit réew ni moom mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay coursier ci réew mi nga xam ne moom lañ nekk yaakaar nañ ne ne catégorie 3 ans bala cee kenn raw da nga waxtaan ak ñoom wala bala cee kenn am daal di kaamil

par leur intelligence, leur intuition ou même leur instinct, réorientent leur destin qu'on croyait à jamais tracé et humiliable. À l'heure où l'élevage équin au Sénégal et les courses hippiques par ricochet, connaissaient par l'effet de la politique d'ajustement structurel du début des années 80, une descente vertigineuse vers les tréfonds d'une mort programmée, ou à tout le moins vers l'univers surréel d'un oubli irréversible, un homme s'est levé avec l'énergie du désespoir qui anime celui-là qui veut arrêter la mer avec ses bras. Professeur de médecine, sa passion pour le cheval se mesurait à l'aune de cette mission sacerdotale qui le portait journellement au chevet de ses patients. Avec un tact lustré et une audace a priori suicidaire pour l'époque, le professeur Omar Bao s'isola vers les années 90 dans la ténébreuse localité de Niaga ou s'y rendre relevé d'un chemin de croix pour poser les prémices de l'élevage équin privé, ce qui lui avait valu à l'époque des commentaires malveillants et railleurs. Il a créé le premier véritable arabe privé au Sénégal. Visionnaire, prospectif et bien structuré, il avait manifestement une grande avance sur ses contemporains. Sa féconde hardiesse C'est là l'inconvénient de la lecture. Sa féconde hardiesse aura accouché d'une nouvelle perception du cheval de course, de son élevage et de sa compétition, qui créa un potentiel attractif considérable auprès de toutes les couches sociales et fit bénéficier à la filière équine en général de l'appui et du soutien des structures d'État. Le décret 96-485 du 13 juin 1996 sur le financement des courses par les recettes du pari mutuel, couronné juste à cette période où elle a osé franchir audacieusement le Rubicon, le Rubicon des efforts pourtant déployés depuis 1984. De cette nouvelle perception du cheval de course, dans une société sénégalaise désormais acquise au développement durable, les bons poulains s'achètent, toute proportion gardée, à l'aune de ce que le prince Mohamed Al Maktoum avait l'audace de proposer à Christophe Sioux, ce garçon de 27 ans, propriétaire de l'emblématique cheval pur sang Six Star. Par son audace, son tact, sa patience, son altruisme, sa vision prospective et son don de soi, la vente d'un bon poulain a aujourd'hui réorienté bien des destins de Teramo à Fly to Mars en passant par Beau Charlie, Peter Berhel, Corvatch et les autres, il a adossé son élevage sur les meilleurs passeports sanguins. En effet, l'argument de la qualité est encore plus impressionnant que celui du nombre, puisque nous avons parmi ces étalons les meilleurs courants de sang qui font actuellement la fierté des élevages européens en général et français en particulier. Il ne fait aucun doute que grâce à la synergie qu'il a si magistralement impulsée autour de son équipe de gestion et les autres haras, les courses hippiques et l'élevage équin sont en train de réaliser les corrections qui permettent à ce secteur de jouer un rôle primordial dans l'économie nationale. Il avait fini de marquer l'histoire des courses et de l'élevage équin au Sénégal par la qualité de ses enseignements et la subtilité dans la transmission du savoir et du savoir-faire orphelin, certes de sa disparition, mais ragaillardi par le gigantisme de son œuvre, nos pensées pour lui à la fois élégiaques et jubilatoires nous orientent à le rendre immortel, en inscrivant peut-être ce classique dans l'agenda des années à venir. Merci professeur dans la simplicité du terme, mais merci dans la sincérité de son contenu.